dans le cadre de l'ouverture du dialogue national. Et je me réjouis de la diversité des points de vue. Chacun a pu s'exprimer librement, a donné cours à ses idées et je n'ai aucun doute que les discussions qui suivront cette séance d'ouverture du dialogue pourront approfondir les différentes questions. Le dialogue devra s'organiser autour des commissions que j'ai indiquées dans mon propos liminaire. Il nous faut dès à présent finaliser et au plus vite les TDR du dialogue, les termes de référence. Je dirais d'ici le week-end. Maintenant, il faut travailler tenant compte euh, des délais imprescriptifs du processus électoral. Donc, euh, d'ici vendredi, samedi au plus tard, il faut que chaque parti puisse faire parvenir ses propositions en matière de termes de référence dans le dialogue. Bien sûr, nous avons noté tout ce qui a été dit et la conduite du président Moutafanias, en secrétariat la mise en place pour cela est enrichi par les différentes propositions des partis. Je rappelle que ces locaux qui pourront abriter certaines commissions, la plénière, ils disposent d'une euh, salle de 120 places peut-être. Euh, certaines discussions pourront se faire à l'immeuble Bourgie, pas loin d'ici, au deuxième étage. L'immeuble Bourgie face à la Société Générale, contigu à l'IPRES, donc c'est facile à localiser pour pouvoir également donner la constitution des commissions. Je demanderai au ministre de l'Intérieur qui avait suivi, qui avait assuré le secrétariat du dialogue politique de faciliter le contact et la collecte de ces TDR qu'il faudrait transmettre euh, au niveau de la présidence du dialogue. Nous pourrons recueillir en même temps la désignation des représentants des partis en dialogue. Et là où nous avions des commissions qui sont restées fonctionnelles, nous pourrons consolider donc ces présidents de commission. Ça ne sert à rien de reprendre le travail. Ces rapporteurs, là où il faut corriger, remplacer, nous pourrons faire très rapidement ce travail afin que tout le monde se mette la tâche. Je souhaite également que les délais du dialogue soient des délais raisonnables, enfermés en tout cas au courant du mois de juin. Il ne faut pas qu'on sorte de ce mois sans l'essentiel des résultats et recommandations du dialogue que s'il y a des actes qui nécessiteront des lois ou des règlements, des décrets, il faut bien avoir le temps. Et donc, euh, il faut que l'essentiel soit fait. Il n'est pas dit aussi que nous serons d'accord sur tout, mais au moins sur l'essentiel des consensus et des compromis qui pourront être trouvés, il faut qu'on mette à profit cette période du mois de juin pour arriver à faire avancer euh, nos discussions. Alors, je voudrais attirer l'attention, et je l'ai dit de façon simple dans mon propos liminaire. Il y a une situation nouvelle dans notre pays où certains acteurs ont choisi de détruire la République. C'est leur choix. Face à un tel choix, mon devoir, c'est de protéger la République, quoi que cela puisse coûter. Nous ne pouvons pas accepter dans ce pays les menaces faites contre des juges au quotidien, qui sont appelés au téléphone, qui sont menacés de mort, dont les domiciles sont recherchés pour y mettre le feu. Les maisons sont sélectionnées pour y mettre le feu. Je suis sûr qu'après ce dialogue, selon les points de vue développés, vous verrez, certains seront tentés d'aller mettre le feu chez un tel ou un tel. Cela n'est pas acceptable dans une république. Et ça ne le sera pas. Ça ne le sera pas. Le Sénégal fait l'objet de critiques à l'international. Vous suivez, nous suivons tout ce qui se passe. Une campagne orchestrée contre la République, contre le président de la République. Contre le président, ce n'est pas grave. Je sais me défendre, je sais me battre. Ce n'est pas là le problème. Contre le Sénégal et ses institutions, sa démocratie. Alors, si nous voulons avancer, avançons aussi dans la vérité et dans le cadre du respect de la loi. Au moment où nous parlions cet après-midi, un individu a été appréhendé, il a tiré sur un jeune manifestant. C'est un civil, ce n'est pas un policier, ce n'est pas un gendarme. ceux qui tirent et qui tuent, vous le savez bien, ce n'est pas nos forces de défense et de sécurité. Ce sont les forces les plus républicaines en Afrique, connues, reconnues par l'Organisation des Nations Unies. Quel est l'intérêt pour nos forces, pour la gendarmerie ou la police, de tirer sur des manifestants, sur des civils Vous savez bien qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire et ils ne le font pas. Et les enquêtes vont révéler ceux qui sont arrêtés avec des armes, qui présentent les mêmes calibres et qui tirent. Après qu'on dise, oui, il y a tant de morts, oui, le Sénégal, c'est le chaos, etc., etc. Pour penser qu'on peut, sur cette base, amener l'État à démissionner devant sa responsabilité régalienne d'assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Con, dialogue ak démocratie ak jamm mu ngi tambali si ñu faire respecter la loi parce que loi bi buñ ko respecté wul ça veut dire ñu ngi jëm foo xam ne musiba la parce que bu fekkee buñ la defee nga fayu loolu fi mu ñu yóbbu musiba la war ñaan yàlla Sénégal yegg si foofu pourquoi d'ailleurs maa ngi ñaan képp ki nga xam ne da ngay réagir il faut faire confiance à l'état de droit à la justice et aux forces de défense, qui sont chargées, bien sûr, de protéger les citoyens. parce que pas croire que vous pouvez détruire les biens d'autrui et vous vous êtes tranquille comme ça c'est une illusion donc il faut que vraiment li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk muy réew mi ñu sàmm ko sàmm ko respecté ko li ñu mën a baalante suñu biir parce que ay doomu aadama lañ loolu amul jafe-jafe ku ne xam na ne man bu dul loon xëy na du jëlale wala du ma jégale peut-être dina doon gën a metti fii na doon gën a metti tous les jours amul luñ dul wax président de la république moom it dafa am ay il a des droits c'est un citoyen ku ñu tëj rek dafa am loo def na nga jàdd yoon donc dialogue bi mangi ngi gërëm ñi nga xam ne gëm nañu les vertus du dialogue te duñu leen décevoir parce que man au-delà de dialogue au-delà de ay mandat nee naa leen poser leen mandat poser leen débat bi waaye li nga xam ne mënuma koo bàyyi mooy kuy jéem a faafaaga réew mi wala di ko jéem a yàq wala jàpp ne mën nañ fi installé kaw loolu moom lu mu jar dinañ ko ci def mandat boo leen bëggee dangeen koy ñaan ma ne leen jël leen soo leen bëggee waaye ci njëkk nag a de par force donnez, donnez doo candidat Nous teg ko ci lan ci mais au nom de quoi Nous ñi koy wax ñoo campagne oon ne référendum bi bu président de def deux mandats tout le monde le sait tout le monde sait lire le droit le débat boobu duma ci dugg parce que débat dialogue bi la man nous ñu débattre dans le dialogue nullement comme nous, nous ñu débattre l'ouverture et l'inclusion parce que c'est pour le Sénégal c'est pour l'avenir de ce pays donc nous devons nous ko dialogue dans cet esprit pour faire avancer encore notre démocratie ne me demandez pas de croiser les bras face aux velléités de déstabilisation de notre pays personne ne me demande cela ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Force doit rester à la loi. Alors, pour le reste, Japonani, chaque parti doit vraiment le plus rapidement possible désigner ses représentants. Peut-être qu'après la synthèse des termes de référence qui ont été donnés, et chacun pourra aussi proposer les autres dialogues antérieurs avaient déjà fixé des quotas pour chaque entité Sumbolo, mbooloo bi bëri aussi d'autres n'y liggéey donc commission est de façon vraiment rationnelle pour que nous ayons un am résultat am euh, pour askanvi. Ce qui est des cas, c'est que ni sant leen rek ak gërëm leen moo ma de sant Centre kilifa diine yi kilifa kilifa parti politique yi ci mais centre également le secteur privé ak centrale syndicale organisation féminine képp ku fi vous ci anam fi ñu gërëm la ndax dafa am solo te l'exception sénégalaise day nos propres ressorts pour gérer nos crises c'est ce que au Sénégal ce que nous avons ko dans ci dialogue bi vraiment maa ngi leader politique yi nga xam nous avons courage que le courage politique aussi c'est de ne pas suivre tout le temps la clameur c'est de pouvoir faire ce qu'on estime être utile pour son pays quel que soit par ailleurs les échos c'est d'être venu et d'essayer justement de trouver des solutions à travers cet échange, ce dialogue entre les différentes parties. di dès que nous aurons l'ensemble des termes de référence et la constitution des commissions avec vous aussi nous allons travailler sur la présidence en particulier de la commission politique mom moy bi gëna xumbu euh, politiciens politicien ils sont toujours plus compliqués mais bu nous amee ñi ko le secteur moom le ministère de l'intérieur comme niñ ko daan alors je pense que nous pourrons avancer très vite parce que pour les autres secteurs dans daanaka réflexion bi pare woon presque donc c'est la commission politique qui va pouvoir waaw li li mooy Afrique nag dañ koy nangu xam nga Afrique moom foog lu mel ni di am c'est la culture c'est la spontanéité donc faut l'accepter Senghor disait que l'émotion est nègre la raison est Hélène voilà c'est ça il faut l'accepter merci beaucoup maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam Et voilà, ainsi conclut.